pour les populations du sud. Tambacounda est une voie servant de contournement au point de passage entre la Casamance et le reste du Sénégal, Dakar, Thiès et Saint-Louis. Par conséquent, Tambacounda est une zone de carrefour où le transit commercial se fait par la nationale 1 et 7 qui mène vers Caille au Mali. Tambacounda fait aussi penser au parc Nyokolokoba. Toutefois, la mémoire collective retient que Tambacounda reste une zone de forte canicule. À Tamba, il fait vraiment chaud, mais seulement on est habitué. Les populations vivant dans cette partie du pays ont fini de surmonter les écarts de température. De Tamba, il n'y a pas que la chaleur, mais des produits et ustensiles qui font que les Tambacoundois sont très ancrés dans leurs traditions et développent une culture et des valeurs que leur ont laissées les anciens. En découvrant cette région, nous avons aussi plongé au cœur de leurs us et coutumes. comme ay cuuba ki yooyu waaw ay gowe quartier waaw loolu boo ko tuddee rek sa xel day dem ci Tamba. waaw dë dëgg la dëgg la waaw ndaxte ñun ñi boo ñu gisee da ngay foog ñun ay bambara la ay malien la. leket bi waaw leket moom bëgg naa di ko jaay trop parce que dama ñëw fekk sama yaay di ko jaay waaw ma sawar di ko jaay trop. Ici, nous avons du goé, des choux, du karité. Tout cela renvoie à la région de Tambacounda. Déjà, nous avons des traits de bambara à cause de la proximité avec le Mali. Nous utilisons beaucoup la calebasse. Ma maman en vendait. Cette ustensile est très précieuse. waaw fuddan bi tamit baax na fii daal nit buy sëy dinañ ko defal fuddan waaw te fuddan dafa baax ci yaram waaw baax na ci yaram moom daal boo koy boo booy fudd boo fuddanoo daal doo mer foo toll da ngay bég te da ngay sa loxo daal une fois moom une fois bërëb bu set daal dara di ci dugg. pour les naissances les mariages les funérailles. le aîné aussi est un produit très prisé dans notre contrée. il permet d'avoir une bonne humeur et de l'argent. les vannes et les tintins un nom emprunté au casacé sont très présents à Tamba et dans nos ménages. Les gens viennent de partout pour s'approvisionner sur le marché central de Tamba grâce à la diversité des produits traditionnels que nous utilisons et disponibles sur le marché. Le karité, les encensoirs sont toujours très vendus ici pour leur originalité. Nous proposons aussi des tubes de cure-dents pour leur bienfait sanitaire et moral. Il y a aussi un produit tout spécial, le alnake, un secret pour la femme mariée. buy métti waaw day dëgëral ay bëñ daqaar bi tamit moom tamit dañ naan baax na ci ubbeekaay ko daal wërsëg ak yooyu al ndàkke waaw al ndàkke la tudd waaw moom dafa baax si jigéen jigéen buy say war na koo eh, eh, di naan boo amee doom tamit yàlla may la sa bopp war nga ko di ko naan dafay setal jigéen daal baax na ci biir du métti Au-delà de ces produits typiques, le Sénégal oriental est un lieu de brassage culturel du fait de la diversité ethnique qui compose ces couches sociales et des habitudes alimentaires qui leur sont propres. Il y a beaucoup d'ethnies à Tambacounda il y a des Bambara, des poules, des sarahole, des Bassari. Les Bambara ont comme plat traditionnel le mafé. Les poules aussi aiment le mafé khako et le fouti. Nous cultivons également des légumes comme le bergine amer et douce, le gombo. La ville de Tambacounda s'est développée grâce à sa situation, à la fois sur la voie ferrée Dakar-Kidire et Bamako et au carrefour des routes vers le Mali, la Gambie et la Guinée. L'agriculture s'y développe bien avec de vastes étendues de surfaces fertiles et cultivables. Tambacounda connaît également d'autres points d'intérêt avec le marché central, d'autres quartiers comme le quartier Dépôt ou le quartier Bassari regorge d'histoire et d'originalité, ou encore son village artisanal, qui s'est bien développé avec une forte présence de laobé, des spécialistes de la sculpture.